le forum du studio le forum du le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangu.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Mauvaise campagne agro-silvo-pastorale 2019 causes, conséquences et solutions envisageables. D'ici août 2020, plus de 2 millions de Nigériens seront en insécurité alimentaire sévère, dont environ 7500 élèves affectés par la fermeture des écoles pour cause d'insécurité. C'est la situation présentée au Conseil des ministres du vendredi 6 décembre par le Premier ministre, rapporte le quotidien Le Sahel du 9 décembre. Dans sa communication, le Premier ministre Brigitte Raffini a annoncé un déficit agricole dans les régions de Difa et Tilaberi et le nord des régions de Maradi, Dosso, Zender et Tawa. La mauvaise production fourragère, les inondations et la situation sécuritaire dans certaines parties du Niger sont les principales causes de ces pics d'insécurité alimentaire jamais égalés depuis 2012, a précisé le Premier ministre. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu sur les causes de la mauvaise campagne agro-silvopastorale 2019 au Niger, les attentes des Nigériens et les solutions envisageables. Nous avons donc le plaisir de recevoir Issa Manou de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Issa Manou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moussa Nyali de l'association Mouriban. Moussa Nyali, bonsoir. Et euh, bonsoir. Et El Al Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger Kapan. El Haj Al Mansour Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Samanou, que peut-on retenir au sujet de cette insécurité alimentaire au Niger et au Sahel euh, Merci et bonsoir, mes chers euh, frères. Donc, euh, vous savez, le Niger, c'est un pays sahélien, et de ce quoi un pays agricole, et un pays aussi pastoral. De telle façon que, vous savez, d'une manière générale, on ne peut pas parler l'agriculture sans qu'il y ait eau. L'eau, c'est le premier capital. Et quand un pays confronté à des baisses de précipitations continuelles. Il est difficile, quelles que soient par ailleurs les politiques prises, qu'on puisse joindre les deux bouts, comme on dit. De la façon, vous savez, aujourd'hui, dans nos, dans nos textes, on parle du Niger est secoué par l'insécurité alimentaire à peu près un an sur deux ans. Certains parlent, ce qui soit un peu modérés, parlent de un an sur trois ans. Quel que soit Alpha, il faut, se, faut, il faut se dire que le Niger est un pays vraiment qui est continuellement, peut-être structurellement, en déficit alimentaire. Parce que le problème, c'est quoi L'agriculture. S'il y avait une année qui est une bonne année, il faudrait qu'il y ait un effet cumulatif de production. Et malheureusement, c'est l'effet cumulatif qu'on n'arrive pas à enregistrer. Par exemple, cette année, ça donne bonne pluie, ça donne bonne récolte, mais il faudrait peut-être prendre 1, 3, jusqu'à 5 ans pour qu'on ait des bonnes productions, pour qu'il ait donc l'effet cumulatif, comme je l'ai parlé. Mais malheureusement, l'effet cumulatif n'est pas là. Une bonne année, on va faire à peu près 2 ans, sans qu'il ait aussi bonne production. De telle façon que donc c'est un pays qui est continuellement, structurellement, vraiment en déficit alimentaire. Et vous savez, la population du Niger, c'est un pays dont la base alimentaire, on sait que ce sont les céréales le grain, c'est le mil, le sorgho, et le riz, sur notre moindre mesure, le maïs. Et toutes ces cultures, n'est-ce pas, ont besoin de l'eau à, une période bien donnée. Le Niger, euh, euh, vous savez aussi, non seulement les pluies ne sont pas sur toute l'année, mais même le moment où les, on attend les pluies, soit elles arrivent tardivement, où elle arrive précocement, où elle arrive intensement. Toujours, on n'arrive pas à être vraiment dans... Il y a aussi la mauvaise répartition des oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, non seulement donc, euh, l'année, sur 12, nous n'avons que 3, à peu près 4, à 4 mois de pluie. Ça veut dire qu'il y a à peu près 9 mois hein, où bon, la plupart des personnes, la plupart du pays est vacant. Hein. Les gens n'ont pas une activité, n'est-ce pas, agricole, qui est tout à fait permanente. Donc, de telle façon que vraiment, vous savez, et voyez combien de fois donc, le pays est secoué. Trois mois à quatre mois de pluie et dans lesquels sont mal répartis dans le temps et dans l'espace. Et savons-nous est-ce que cela n'est pas la conséquence de la mauvaise utilisation ou bien de la non-utilisation des semences de variétés améliorées Non. Au fait, vous savez, moi j'ai toujours dit que les semences de nos producteurs sont des très bonnes semences. Parce que, vous savez, il n'y a pas une bonne année où il y a une bonne production et qu'on va dire que les semences des paysans n'ont pas répondu. C'est vrai, l'État fait des grands efforts, mais quand tu regardes la quantité que l'État met à l'exposition des producteurs et ce que les producteurs utilisent, quand même, on sait que le pourcentage est très, très moindre. Mais les semences, nous, en tant que techniciens, on sait qu'on ne peut pas aussi avoir une bonne production, surtout du point de volume, sans qu'il y ait des bonnes semences. C'est clair. Donc, moi, j'ai dit que le premier capital d'abord, vraiment qu'il faut, qui doit être constant, c'est l'eau. Ensuite, maintenant, vient les semences. Les semences, c'est vraiment c'est pour booster. C'est-à-dire qu'on peut produire euh, sur un grand espace, parce qu'il y a beaucoup de pluie, mais le rendement, la productivité peut être moindre. Mais comme c'est, l'espace est assez grand, on peut toujours avoir donc un volume de production assez important. La semence, elle est vue dans le cadre de la productivité, c'est-à-dire que elle augmente le rendement agricole. De telle façon que sur une petite superficie, avec des bonnes semences, avec des bonnes pluies, avec des entrées agricoles de on peut avoir vraiment une bonne production sur une petite superficie, n'est-ce pas, de production. Mais quant à là, l'eau, elle doit être là. Et elle doit être régulière, bien répartie dans le temps et dans l'espace pour qu'on ait une bonne production. Et sur les castagnes, Isamanou, les régions de Difa et Tilabiri et le nord des régions du Maradi, Dosso, Zender et Tawa sont déclarées déficitaires. Le Premier ministre a avancé quelques raisons. À quoi peut-on attribuer ce déficit agricole exactement Cette année surtout, c'est la mauvaise répartition des pluies dans le taille de l'espace. Maintenant, il y a eu quelques cas aussi des attaques des ennemis des, ennemis des cultures, surtout la menace de l'épi qui a fait vraiment des ravages dans beaucoup des zones de notre pays. Donc ça, c'est en tout cas des facteurs qui ont conduit effectivement donc vraiment à la chute du rendement agricole cette année. Donc principalement, j'allais dire. Sinon, comme vous l'avez dit, la semence aussi peut être une partie prenante dans ça parce que, vous savez, les, bonnes semences aussi, c'est surtout les semences qui sont adaptées. C'est-à-dire, compte tenu du fait que et les pluies ne sont, sont pas régulières, donc normalement, on devrait avoir des, variétés de semences donc, adaptées, en cas en fonction de notre, de notre climat. Mais, tout est que donc, euh, par rapport à ce point, ce euh, n'est pas un acquis. Donc, pas On ne peut pas avoir une quantité de semences suffisante qui répondent, n'est-ce pas, à l'exigence de notre environnement de telle façon que les semences sont petites par rapport aux besoins de la population. C'est-à-dire, si on, dit qu'il y a une, semence qui est par exemple, à la sécheresse, donc elle ne peut pas avoir aussi, on ne peut pas donc, c'est-à-dire que rencontrer comment, ou, encore répondre aux besoins, n'est-ce pas, des producteurs, euh, du fait que les semences n'ont pas été multipliées pas Parce que aussi même l'application, c'est aussi une autre activité qui a besoin d'un investissement. Issa nous, au Niger, la plupart euh, des sols sont lessivés et il faut un apport euh, en engrais. Est-ce que euh, ce n'est pas l'un des facteurs qui a contribué à la, mauvaise campagne agricole enregistrée cette année Nous sommes en train de parler sur les principales causes. L'engrais bel et bien, a un rôle très important. Mais euh, j'allais dire que vous savez, euh, l'engrais peut jouer un rôle positif comme il peut jouer aussi un rôle négatif. La plupart des, des, producteurs et autres agriculteurs n'ont pas les moyens nécessaires pour euh, acheter les engrais. Oui, oui, bien sûr. Mais aussi si on utilise même l'engrais en cas des années de mauvaise, de mauvaises pluie, ça devient néfaste à la, à la, culture. Donc voilà tout le problème. Donc vraiment, il faut qu'il y ait l'eau. Parce que quand je dis, quand je parlais de l'eau là, quand il y a l'eau, il y aura moins de pression parasitaire quand tu mets l'engrais, ça va bien réussir. Et quand, en tout cas, tous les facteurs, n'est-ce pas, concourent vraiment à la bonne maîtrise de l'eau. C'est ce que vraiment, n'est-ce pas, notre État est en train de s'acharner pour faire en sorte que de disponibiliser l'eau là où c'est possible à travers donc la, à travers la mobilisation des eaux de ruissellement pour pouvoir vraiment un peu répondre à cette question cruciale qui est vraiment l'insuffisance des précipitations dans notre pays. Moussigny, quelles sont les difficultés rencontrées cette année par les agriculteurs et même les éleveurs euh, Merci de m'avoir donné la parole et merci pour votre invitation. Donc, euh, moi, c'est Moussa Ali Niali de la Fédération des unions des groupements paysans du Niger, FIGPN Moribène. Donc, euh, en ce qui concerne les causes de la mauvaise campagne de cette année, on peut euh, résumer ça en ce sens que euh, en les points suivants quoi. Donc euh, il y a les semences comme a dit le représentant de l'agriculture, les semences et les entrées et les entrants. Il y a la maîtrise de l'eau, la mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Deux fois les problèmes fonciers, le changement climatique. Euh, la pression démographique, la gestion des connaissances, notamment les itinéraires techniques euh, de l'agriculture euh, pour les cultures. Donc il y a la désertification qui avance et puis il y a la dégradation du couvert végétal. Il y a aussi cette année un effet particulier on connaît, on ne connaissait pas, c'est l'extension donc des pluies jusqu'au mois d'octobre. Donc, surtout dans, la, région de Boboy. Voilà, donc euh, cela a entraîné aussi une perte des récoltes là où il y a eu les récoltes. Donc, cela a, aussi contribué donc à la diminution donc de la qualité et de la quantité donc. Euh, Tous les haricots, les récoltes. Voilà, les foins. Et ce qui a un, impact sur euh, l'alimentation donc du, du bétail. Donc aussi il y a les attaques, euh, les attaques, euh, les attaques parasitaires quoi. Donc euh, ce paquet résumé constitue aussi donc les facteurs essentiels donc qui ont continué, qui ont contribué, sans oublier aussi les inondations qui ont aussi joué en, défaveur donc des, des, paysans. Donc voilà en gros ce qui a contribué à cette mauvaise campagne 2019 pour, cette année donc, en ce qui concerne donc, euh, le domaine de, l'agriculture. Moussa Lignali, l'État du Niger ambitionne d'arrêter les importations du riz de 2023. Euh, comment faire pour compenser le déficit alimentaire euh, Merci. Donc, pour ce qui est donc, du riz, c'est une bonne initiative de chercher l'autosuffisance alimentaire donc, sur ce domaine pour deux facteurs. Donc si vous voyez les sommes importantes que nos commerçants payent, envoient à l'extérieur pour, euh, pour acquérir donc du riz de mauvaise qualité et de qualité nutritionnelle donc moindre, on se rend compte qu'il y a une perte pour le pays. Donc d'où maintenant à l'image de ce qui se fait à l'extérieur, si nous prenons par exemple euh, l'idée de, Dangote au Nigeria, qui ambitionne donc euh, de produire donc le riz et de nourrir le Nigeria euh, avec euh, le riz local. Donc cela peut bel et bien donc se faire au Niger si l'État met un peu de pression parce que la liberté aussi c'est un droit pour les Nigériens donc euh, que l'État assure un droit donc à la, à la souveraineté alimentaire. Donc c'est un droit reconnu et que c'est un devoir pour l'État donc euh, d'assurer ce droit-là. Donc de ce point de vue, l'État peut bel et bien jouer sur les opérateurs économiques. Déjà, il y a un quota, un minimum donc qui doit être fourni par le marché local. Or, cela n'est pas respecté dans les faits. si l'État, en collaboration avec donc euh, les, opérateurs économiques, prennent en charge donc les aménagements hydro-agricoles, pourquoi ne pas créer leur propre aménagement hydro-agricole. Aujourd'hui, on sait bien que les, les, opérateurs économiques comme Oudunusa, comme Oriba Rice, ils peuvent et ils ont les moyens donc d'exploiter. Mais est-ce qu'ils peuvent accéder au terrain Bel et bien, ils peuvent accéder. Parce que autant que euh, le, fleuve s'étend sur le Niger, et euh, euh, le fleuve traversent le Niger sur des grandes euh, superficies. Mais ce sont des jardins d'autrui qui sont là au bord du fleuve. Pour une sécurité donc euh, nationale, une sécurité, une question donc de souveraineté. Prenez par exemple, si l'État veut construire donc des routes, on casse des maisons d'autrui pour euh, le, le, à travers l'expropriation l'expropriation et puis l'indemnisation et l'État donc a le monopole donc de tout et à travers cela même il y a des endroits où qui ne sont pas exploités par les gens donc ces gens là ils peuvent par plusieurs mécanismes même les locations, les gens qui sont les riverains où les terres ne sont pas exploitées, ils peuvent mettre ça en location. Et ils peuvent avoir donc euh, une participation publique-privée où maintenant l'État, à travers l'ONAHA, les, propriétaires terriens, les, euh, coopératives. les coopératives, Maintenant, prenez par exemple, on part dans le concept de chaîne de valeur. Les producteurs, s'ils sont assurés qu'il y a un marché, ils seront tentés par augmentation donc de la production. les, opérateurs économiques, ils investissent ils appuient donc les producteurs en intrants, en semences et en appui financier et puis en renforcement donc de capacité. En association donc avec la FICOPRI. Donc, ensemble, ils peuvent arrêter donc des stratégies pouvant booster la production du riz au Niger et on peut même exporter. C'est une question de volonté et une question donc d'essayer Parce qu'on on est toujours tenté donc à aller prendre l'extérieur. Ceux qui viennent de l'extérieur, c'est ceux qui vont. Alors que le riz qu'on nous amène, minimum, c'est des riz qui sont stockés 10 ans, 10 ans, 15 ans. Ils n'ont aucune valeur nutritive. Et mieux, il y a même le piratage du riz. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il euh, y a des riz qui sont euh, introduits sur le marché et Dieu seul sait combien de maladies ça peut, ça peut produire sur la population. Moussa Alignali, le Niger a-t-il aujourd'hui les moyens pour mettre plus de 2 millions de Nigériens à l'abri de la famine Bien sûr que oui. La dernière fois, j'ai vu sur la télévision que 1 euh, million de dollars de donations donc, pour la sécurité alimentaire, pour appuyer donc, la sécurité alimentaire. La moitié de ces fonds-là, quand on investit ça dans les politiques et ça part vraiment sur le terrain, on peut bel et bien nourrir et arriver donc à la souveraineté alimentaire en faisant quoi Premièrement, en essayant donc d'investir, parce que la plupart du temps, on fait du saupoudrage. On fait pour faire, mais pas pour avoir donc des résultats escomptés. Maintenant, on concentre et puis on voit les bassins de production. Qu'est-ce qui est produit dans tel endroit Au Niger, les services de l'agriculture et même les producteurs savent qu'est-ce qui est possible donc de produire et où. Maintenant, il suffit donc de se mettre et puis de façon logique et objective. Identifier donc les bassins de production. Là où il y a possibilité donc de produire du riz, on vient, on discute avec les populations. Voilà, nous voulons que vous produisez donc du riz. De quoi vous avez besoin et n'ayez pas de crainte quand vous produisez, nous allons payer. Aujourd'hui, donc, il y a même les usines de décortiquage de riz n'arrivent même pas à avoir donc les quantités suffisantes pour faire fonctionner donc les usines. Or, si au niveau donc des, coopératives, les gens sont conscients qu'il eh, y a un acheteur donc au bout du fil, ils sont obligés donc de produire car ils n'auront pas donc de crainte. Et les, usines de transformation aussi, si elles sont sûres d'avoir donc la matière première locale à moindre prix, elles seront obligées donc euh, de se mettre et puis de se perfectionner et de là donc eh, développer donc le tissu industriel. Il faut aussi développer donc avec les eh, au lieu donc de l'aide amener donc la distribution parce qu'on a beaucoup distribué, mais c'est comme si c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Et de là même, ça rend fainéant les gens et ils se mettent dans un état d'attentisme. J'ai pas besoin donc de faire chaque fois je me fais euh, le pauvre, je sais que quelqu'un va venir m'aider. Mais tant que quelqu'un vient vous aider, attendez-vous à ce qu'il vous dicte aussi votre manière de vivre et puis votre manière donc d'agir. On prend donc des crédits sur les dos du, du Niger pour nous amener peu. Sur les 1 million, peut-être c'est moins de 200 millions qui vont venir à la base. Alors que si on investit ça dans le maraîchage avec la maîtrise de l'eau et le développement donc des pistes et des moyens donc d'écoulement, je vous assure que eh, le Niger peut bel et bien donc se nourrir sans l'aide extérieure. L'aide qu'on amène pour dire on va faire des distributions gratuites, ciblées, des distributions quoi quoi là, donc c'est une façon donc de nous mettre en retard. Essayez donc de voir là où c'est possible et puis on va essayer donc euh, de produire de nous-mêmes. Parce que quand on produit nous-mêmes, déjà, on acquiert une compétence, on acquiert donc une volonté et puis on assure donc notre indépendance vis-à-vis donc de l'extérieur. Il y a aussi la lutte contre la pauvreté à ce niveau. El Mansour Mohamed, quelles sont les difficultés rencontrées cette année par les pasteurs Bon, avant de parler de la difficulté, par rapport à, la campagne euh, pastorale. comme vous l'avez dit tout à l'heure, le dernier conseil de ministres a dit quand même que la campagne pastorale est, globalement mauvaise. Il y a même des poches de production nulle. Vous savez, eh, au début de la campagne, nous, avons, beaucoup espéré au regard de la quantité de la précipitation. Mais quand vous interrogez les, éleveurs à la fin, comme il a dit, ils vont vous dire que les dernières grandes pluies sont à la base de la dépréciation du forage. Ce qui fait que dans certaines zones, le fourrage est, est dénaturé et pourri euh, probablement cela contribue à cette question de, production déficitaire fourragère pour laquelle nous n'avons pas encore la répartition par région. Par région, en tout cas, pour le moment, nous n'avons pas la répartition par région. Mais tout ce que nous savons qui regarde du Conseil de ministre, la production est quand même déficitaire. Et nous attendons voir la répartition région par région, voir qu'est-ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas Donc, il y a ces questions, vous l'avez dit aussi, qu'est-ce qui est pour que le mauvais, la question aussi des changements climatiques. Nous ne maîtrisons pas, ces, ces, de mon point de vue, ces aléas. Je pense que la météo et toute la technologie que nous avons pourraient nous dire, pourraient nous orienter. je pense qu'il faut aller dans ce sens. Pourrait orienter les, éleveurs pasteurs, pourrait orienter toute la population rurale pour dire que voilà à quoi vous devrez vous y attendre, n'est-ce pas Sinon, la production, les, éleveurs, effectivement, ce que vous avez dit, la production, elle est, beaucoup d'endroits, elle n'est pas bonne. On regarde surtout des dernières pluies, n'est-ce pas vous l'avez dit, il y a cette question du changement climatique. Ils ne maîtrisent pas ces, trucs-là. Il y a aussi cette question, les eaux de surface. Mon ami de l'agriculture, là, il n'a pas parlé de la maîtrise des eaux de surface. C'est quelque chose que nous perdons. C'est une eau dont les éleveurs passeurs en ont besoin, qui est perdue, dont les agriculteurs eux-mêmes en ont besoin, qui est perdue, n'est-ce pas Je pense que, au regard de la, situation, hein, euh, c'est vrai, il faut aller à l'urgence, mais comme lui l'a dit, il faut aller sur des actions pérenne pour les éleveurs pasteurs. Tout à l'heure, il a parlé des questions de, de cultures irriguées, etc., etc., pour le riz, etc. Mais les gens ne pensent pas qu'on peut aussi produire pour l'élevage. Aujourd'hui, quand on parle le fourrage, quand on parle du bail de Kandaji, quand on dit qu'il faut aménager le fleuve, etc., etc., les gens ne voient que le riz et le sorgho. Mais il faut voir, avoir aussi le fourrage. Parce que c'est une ressource partagée, c'est nigérien. Parce que si les animaux sont dans de bonnes conditions, bien nourris, ça contribue à ceci, cela. Il faut qu'on inculque, de mon point de vue, dans le comportement de nos agents de l'agriculture autre que quand on parle de, l'irrigation, quand on parle d'aménager les, fleuves, les eaux, d'aménager, etc., il faut qu'ils se disent il y a la question de l'irrigation, de, culture folagère qu'il ne faut pas occulter. Il faut qu'on évolue Mais est-ce que ce n'est pas votre combat, euh, cela C'est notre combat de toujours, au ministère de l'Agriculture, c'est notre combat de tous les jours. Parce que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas simplement, on perd, un, beaucoup divisent en important l'aliment bétail. C'est des milliards que l'État Niger n'est pas qu'il met pour acheter l'aliment bétail, alors que nous pouvons créer des conditions à l'interne, n'est-ce pas Puisque, comme le ministre d'État à l'élevage l'a dit plusieurs fois, j'étais présent, il l'a dit plusieurs fois, qu'il y a des terres, il y a de l'eau, il y a de la jeunesse, mais il faut aller vers, de mon point de vue, et l'irrigation. L'irrigation, de mon point de vue, elle n'est pas, pas très développée au regard de ce que nous attendent. Il faut lever l'irrigation, produire le forage pour les animaux, produire du riz, etc. Et, l'autre aspect, dans le cas de l'irrigation, je ne suis pas d'avec mon ami de Moribène, il faut, il faut impliquer les populations rurales, les, populations lambda, qui nous terre. Il a cité des noms tout à l'heure qui, de mon point de vue, ne sont pas des exemples à, donner. Moi, je dis, il faut aménager des terres. Mais est-ce que, que l'État à lui seul peut faire tous ces travaux-là c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Si l'État, c'est une question de volonté, et cette volonté est réaffirmée dans l'initiative 3N. Je pense que l'initiative 3N, c'est une volonté de l'État pour aller dans ce sens. Et il faut aller dans ce sens pour qu'on puisse produire, comme ils le disent, ce que nous devrons manger. Produire notre forage pour les animaux, produire ce que nous devrons manger en tant qu'être humain, je pense que c'est possible. Nous perdons des milliards de mètres cubes d'eau chaque année qui ne sont pas valorisés. Qu'est-ce qu'on attend Les animaux en ont besoin. Ça, ça, pourrait nous réduire le conflit entre agriculteurs et verts autour de la compétition, autour des eaux, aujourd'hui autour des petits marques, des puits, etc. Si on maîtrisait ces eaux-là, ça pourrait nous réduire probablement certaines questions de conflit autour de l'eau, n'est-ce pas Je pense que c'est on est obligé d'aller dans ce sens. Je n'ai pas dit que, par exemple, les cultures, les questions culture euh, sous pluie, il faut le faire, mais en tenant compte des conseils des techniciens. Et les techniciens doivent conseiller tout le monde pour leur dire attention, cette année, si vous mettez telle chose, telle chose, ça ne va pas produire. Ou vous allez dans telle zone, c'est peine perdue. Ou voilà l'attitude, que le comportement que vous devez adopter cette année parce que la pivométrie, voilà ce qu'elle prévoit et faites attention. Mais vu le comportement de nos agriculteurs, est-ce que ça va passer Au moins, il faut le faire pour se dédouaner. Comme c'est les questions des autres de qui sont perdus. Mais ça, c'est une réalité que des milliers, de mètres cubes sont perdus. Au Niger, peut-être pas, probablement pas seulement au Niger, qu'on pourrait revaloriser. Je pense qu'il y a une réorientation qu'il va, faire quant à notre, en tout cas, souveraineté alimentaire, n'est-ce pas Il faut aller vers cette question de l'irrigation puisque nous avons des terres. Et quand on va vers la question de il faudrait que assurer une certaine justice sociale. Je sais de quoi je parle. Oui, les, les il est dans ces questions d'agriculture fourragère. Il y a des Amaradis ailleurs, il y a des paysans sans terre. Comment voulez-vous aujourd'hui concevoir qu'il y ait un paysan qui n'a pas un lopin de terre pour cultiver. C'est pas concevable qu'il y ait une famille à nourrir, qu'il y a des élèves à scolariser. C'est la même chose pour les éleveurs pasteurs qui, de plus en plus, les petites aires qu'ils ont pour, pour leurs animaux, etc., sont griotées, effectivement, au profit de certaines personnes. Peut-être que la cité, je ne sais pas, qui, qui veulent un peu clôturer juste pour les, des grandes espèces, juste pour le plaisir. Alors qu'il y a un besoin crucial. Il faut Vous faites allusion à l'accaparement des terres. Oui, la question de l'accaparement des terres. Et même là, pas seulement l'accaparement des terres pastorales, mais l'accaparement des terres agricoles. Les gens n'en parlent pas. Quand vous profitez de la détresse d'un paysan parce que vous l'avez endetté, etc., il ne sait pas où, à quel sens vous, il, vous, il vous lâche son, champ. Mais ça, c'est de l'accaparement. C'est Parce que vous avez profité de sa détresse pour accaparer cette. Je pense qu'il faut revenir sur les meilleures pratiques. Nous en connaissons et elles sont dans l'initiative I3N pour que ces questions-là soient vraiment réglées la question foragère, la question de l'aliment des personnes, etc. etc. Alhaji Al-Mansour Mohamed, quelle est à présent la situation sanitaire euh, du cheptel Récemment, on a, euh, euh, en tout cas à, à, Les, tous les directeurs régionaux, quand même, sont venus pour parler de cette campagne, de cette campagne-là, la campagne 2018-2019 qui va en tout cas commencer si elle n'a même pas commencé, qui d'ailleurs est appuyée également par euh, le CICR et un certain nombre de partenaires, n'est-ce pas Par rapport à la question de la, de la, santé animale, selon, selon les, techniciens et les, bonnes, et même les éleveurs, c'est vrai, il y a certaines euh, maladies émergentes qu'on ne peut pas, qui, qui existent qui sont là, qu'il faut lutter euh, contre ces maladies. Il y a certaines maladies émergentes, mais dans l'ensemble, la situation est calme. Le problème qu'il faut peut-être, euh, qui est le plus euh, d'actualité, c'est cette question d'insécurité que vivent les éleveurs pasteurs. C'est ça un peu qui les... Issa, vous avez écouté le développement de tout un chacun. Que faire dans les cours moyens et long terme Merci beaucoup. En fait, vous savez, vous avez, notre thématique, c'est surtout les causes et les conséquences. Vous savez, une fois qu'une année est mauvaise, les conséquences sont sur les populations et sur le cheptel. Et le plus souvent, c'est la disponibilité, c'est l'accessibilité. Et donc, il faut coûte que coûte essayer, n'est-ce pas, de prévaloir. Dans le cadre, n'est-ce pas, de, cette disponibilité, surtout, l'État et ses partenaires ont pris des dispositions idoines pour pouvoir donc vraiment juguler la crise. ce qu'il faut souligner, c'est que le Niger n'est pas un apprenant dans ce sens. Le Niger a acquis beaucoup d'expérience en la matière, de telle façon que aujourd'hui c'est une donnée, on sait quelle route suivre. Le Niger, nous sommes euh, nantis, surtout en eau de surface, mais aussi en eau souterraine. Donc, euh, le grand effort qu'il faut ici mener, c'est comment mobiliser ces ressources en eau euh, au profit des cultivateurs au profit des pasteurs pour pouvoir donc vraiment continuer les activités normalement. Et c'est ce que l'État, comme je l'ai cependant, est en train de faire. Nous sommes accompagnés, euh, nous les techniciens, par l'État à travers en tout cas une politique euh, bien assise euh, qui tienne compte évidemment de, de tous les acteurs. vous savez, la première des choses que l'État a entreprise cette année, c'est d'abord l'achat des aliments qui ne sont pas difficile, n'est-ce pas, à disponibiliser. Par exemple, l'État a beaucoup, n'est-ce pas, donc, euh, encouragé la pratique de culture irriguée à travers, donc, euh, n'est-ce pas, les achats d'abord des intrants agricoles à temps, à savoir la pomme de terre, le manioc, parce qu'il faut se dire que le manioc a beaucoup de vertus au Niger. Non seulement c'est une euh, culture qui peut réussir partout, et qui crée aussi les emplois, parce qu'il faut se dire que si le processus est bien respecté à travers ce qu'on appelle le développement des chaînes de valeur, à part même qu'il y a la production, donc on continue la transformation et jusqu'à la, commercialisation. Donc euh, c'est là où les tubercules sont des meilleures cultures au Niger. il suffit vraiment de peu d'efforts, j'allais dire, pour pouvoir euh, arriver à bon port. Et on sait très bien aussi n'est-ce pas, les autres cultures, c'est les cultures euh, potagères. Et le Niger, euh, à travers la, sa, population, qui sont très, très, très actifs. C'est là où les choses sont, il faut encourager, c'est là où les choses sont bonnes au Niger. C'est que le paysan, il est imprévoyant. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, nous sommes aujourd'hui euh, en décembre. Mais les producteurs, ils ont pris l'exposition depuis depuis septembre. Ils ont anticipé. Ils ont anticipé. C'est l'anticipation chez les producteurs. Aujourd'hui, vous voyez déjà, déjà vous voyez, comment on appelle ça quoi, la tomate sur les marchés. La salade. La salade. Vous voyez l'oignon. Et ça a commencé depuis septembre. Donc le paysan, j'allais même pas dire le paysan, mais dire le producteur, pour encore bien respecter ces variantes populations, ils, ils anticipent. Donc à long terme, à court terme, Maintenant, à long terme, comme vous l'avez dit, qu'ils sont prendre, c'est effectivement donc, euh, non seulement être prévoyant, c'est-à-dire euh, circonscrire le mal. Quand je dis c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse les causes. Et maintenant, prévoir à long terme comment solutionner les causes-là. Comment faire en sorte que les causes-là ne, ne, ne, ne, réapparaissent pas. Et comme mon frère l'avait dit, c'est à travers des grands aménagements de mobilisation des eaux. Euh, d'ici 2023, est-ce que le Niger pourra interdire l'importation du riz c'est une question de volonté. De volonté. Ça peut bel et bien, même, même aujourd'hui, euh, même aujourd'hui, moi j'ai dit, quand le Niger décide, ça va aller. Tu sais, c'est une question de bonne volonté, mais de conscience surtout de la part des acteurs, parce qu'il faut comprendre que il y a des intérêts qui sont là, qui ne disent pas leur nom, parfois des, des, masqués. Hein, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être ça traîne. Mais je vous dis que quand on décide d'aller, on va arriver. Et c'est ça. Et beaucoup de pays ont pris la décision, ils sont arrivés à circonscrire le mal et à donner des, bonnes solutions. Donc, je suis entièrement d'accord, surtout à travers ce qu'on appelle la production, comme mon frère l'avait dit, de la culture du riz. Parce que le riz, c'est que non seulement nous avons des, des, superficies importantes irrigables, qui sont donc vraiment bonnes pour la production du, riz. En aménagement et en hors aménagement. exactement. Mais aussi, surtout le rendement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même, actuellement, le, rendement au niveau des producteurs, ça va jusqu'à 1 à 2 tonnes. Ça, c'est au milieu, milieu paysan. Quand tu vas au niveau des aménagements, nous sommes à peu près à 6 à 7 tonnes par hectare. Imaginez un producteur qui a eu 6 à 7 tonnes à l'hectare mais il a tout pour l'année. Il a tout pour l'année, même si, même si c'est un producteur qui a un ménage de 14 personnes. Si tu as, as 6 tonnes à l'hectare, mais tu es sécurisé toute l'année. Non seulement tu peux manger, mais aussi tu peux donc maintenant aussi eh, vendre et avoir et, augmenter ton pouvoir d'achat, n'est-ce pas, par rapport à, l'investissement futur. Donc euh, ça, c'est des choses qu'il faut non seulement se projeter, il faut se donner la peine, on peut y arriver. Donc, comme je dis, donc, à travers donc, des grands aménagements hydro-agricoles dans lesquels donc, on peut produire, on peut d'abord produire assez de céréales, surtout le, riz. Mais il faut parler d'une autre question qui est très importante, c'est l'énergie. Vous savez, euh, l'énergie a une grande part importante dans notre production. Tant que l'énergie n'est pas disponible à bon marché, on va toujours avoir des problèmes dans la rentabilité de, nos, projets agricoles. Mais, advienne qui pourra, c'est que sur <laughs> on est obligé d'aller dans, le sens, à travers non seulement l'énergie solaire qui est ici disponible au Niger, il faut vraiment mobiliser cette énergie solaire. Parce qu'effectivement, c'est elle qui nous permet de produire à bon marché. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12 et à bon marché surtout. Alhaj al Mohamed, comment faire pour une meilleure prise en charge des besoins sanitaires et nutritionnels du septel du, secteur de l'élevage. Donc, par rapport à votre question, J'arrive, tout à l'heure on parlait de, l'importation, de l'arrêt de l'importation du riz d'ici 2023. Je pense que le même plus facile d'arrêter l'importation de la viande et certains produits dérivés d'aliments bêta d'ici 2023 que le riz. poulets congelés et autres. C'est un paradoxe pour le Niger. Nous avons des, 42 millions de têtes, sinon hein, plus. Hein. Nous sommes le pays qui, qui, quand même, nous avons une, une qualité de la viande, mais malheureusement, c'est des produits et sous-produits qui ne sont pas valorisés. Voilà des chaînes de valeur et des filières faciles à mobiliser pourvu qu'on organise, Par rapport à la question, à votre question sur euh, la prise en charge des besoins sanitaires et nutritionnels Je pense que déjà, déjà euh, par rapport aux besoins sanitaires, je pense que la campagne la campagne de la vaccination 2018-2019 en voie, n'est-ce pas Et j'ai suivi dans le Conseil des ministres, j'ai le journal, euh, que le gouvernement allait prendre des dispositions idoines pour minimiser cette, cette question. Ce que l'intérêt de, cette, de, cette réunion du Conseil des ministres, c'est, de mon point de vue, c'est qu'ils ont atteint, en tout cas, constaté qu'il y a une situation difficile d'ici 2020. Ils ont déjà anticipé. anticipé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse qu'en en arrivant en 2020, qu'on nous dise qu'il y a des citoyens qui vont mourir de faim. Puisque déjà, on a pris. Donc je pense qu'il faut mobiliser cette question des ressources internes d'abord n'est-ce pas Il faut d'abord une question de gouvernance, bonne gouvernance euh, interne d'abord, ressources internes d'abord, avant de faire appel à l'extérieur. Parce qu'il faut compter, de mon point de vue, sur notre propre L'autre aspect, c'est vraiment la bonne gestion de nos, notre capital. Nous avons de, un capital important, que ce soit en termes de, de bétail ou autre au Niger. Comment organiser tout cela et, et je sais, comme il a dit, qu'on si on ne va pas nous laisser nous organiser, mais on doit s'y battre. Quelqu'un qui juste prend un bateau ailleurs plein de riz, il vient, il le vend en haute mer ou ici à, sur la terre ferme, à rien du tout, il, se met, il se prend beaucoup d'argent. Mais celui-là, le jour où tu vas lui dire d'arrêter cette, cette activité-là, il peut te créer tous les, tous les problèmes du monde. Mais c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Moussa Alignali, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, peut-elle être une solution alternative à l'insécurité alimentaire qui est récurrente au Niger Merci. Donc, euh, effectivement, pour ce qui concerne l'initiative 3N, ça c'est une stratégie, donc c'est la politique étatique. On peut bel et bien euh, euh, arriver à la sécurité alimentaire en s'y mettant et en mettant donc euh, la volonté. Moussa Lignalé, cette initiative a été lancée depuis 2012 jusqu'à présent. Euh, beaucoup ignorent encore les effets escomptés. Effectivement, euh, le problème, ce n'est pas seulement l'initiative 3 n Dans toutes les politiques nationales, mises en place, que ce soit donc au niveau donc des projets, des, programmes. Le problème, c'est que ça vient du haut vers le bas, ou lieu que ça démarre vers le bas pour que ça remonte quoi, la pyramide ce qui amène donc l'échec de tous les programmes. Parce que si vous me demandez ce que vous voulez me faire est différent peut-être de ce que moi je veux que vous me fassiez. Peut-être deux fois, il me faut de peu pour que je puisse euh, avoir grand. quoi. Je vous donne un exemple. je ne veux pas citer les noms, mais il y a un, l'anecdote, un grand militant d'une formation politique, tellement il est militant que le jour où le leader était passé dans le, dans, dans le village, on a fait une rencontre entre ce monsieur et le leader et on lui le leader lui avait demandé un tel qu'est-ce que tu veux Il dit moi je veux une charrette. Les gens l'ont vu que c'est vraiment euh, dérisoire. de sa part, mais quand le leader lui avait donné donc euh, euh, cette, cette charrette là, grâce à, cette charrette, il a construit une maison à lui-même. Voyez, donc il sait où il, où il va, mais ce qui le freine, c'est seulement cette charrette-là. Et c'est comme ça on va aller. Allez-y vers la base d'abord. Allez-y vers la base. Un tel voilà, c'est ce qu'on appelle donc, euh, euh, les Américains disent help me to help you. Donc aide-moi à dire, Aide-moi donc à connaître donc ce, que ce de, quoi tu as besoin pour que je puisse t'amener ce que tu as besoin pour atteindre là où tu veux aller. Quoi. Et voyez, tout est question donc de, de, de priorité dans un pays où tout est priorité. Si vous voyez l'exemple donc du Japon, aujourd'hui le Japon est arrivé donc à une situation industrielle où, où elle est deuxième ou troisième puissance euh, économique mondiale. Après la, Seconde Guerre mondiale, les Japonais ils se sont, ils se sont d'abord euh, arrêtés pour voir on a tous les problèmes par où il faut commencer. Et ils ont commencé donc à développer le, potentiel humain, l'éducation. Et maintenant, à travers l'éducation, toutes les autres composantes euh, ont, été, du ont été résolues. Aujourd'hui, le grand problème que nous avons dans l'agriculture, tout le monde sait qu'il faut, il faut, on veut faire, mais comment faire ça Si vous voyez donc euh, les, points sur lesquels on doit mettre l'accent, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, euh, il est très bien possible d'avoir donc l'autosuffisance alimentaire en riz même pas en 2023 et même en 2020. Parce que le gros problème, c'est la gouvernance au niveau donc de ces périmètres-là. Le producteur, on lui demande donc de payer une redevance exorbitante alors qu'il ne connaît même pas l'assiette qui constitue donc cette, euh, euh, redevance. pour qu'il puisse payer. S'il sait qu'il a consommé donc cette électricité-là, quoi, et s'il sait que la redevance qu'il paye, voilà, elle est bien utilisée, mais il n'aura pas de problème à la payer et il va s'attendre à la payer. L'énergie. Aujourd'hui, la maîtrise d'eau, il y a les forages, qu'on peut faire, il y a euh, l'énergie solaire qu'on peut bel et bien expérimenter au niveau donc des exploitations familiales, tout comme au niveau donc des périmètres irrigués. Pourquoi ne pas aller vers le développement donc des, énergies renouvelables à travers donc des pompes solaires qui peuvent amortir donc le coût de production et, euh, les bénéfices donc du producteur. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Et maintenant, pour revenir donc toujours au problème donc, le Niger est l'un des pays en Afrique de l'Ouest où on produit donc deux campagnes par an. Si vous voyez donc les autres pays, c'est une seule campagne de riz par, par an. Mais au Niger, on a l'expertise de produire deux campagnes par an. Et les paysans sont en train donc de développer donc des expertises. Ils s'adaptent, comme a dit donc euh, Issa de l'agriculture, en ce qui concerne les semences paysannes c'est des semences à valoriser parce que c'est des semences qui s'adaptent au milieu et c'est des semences qui sont disponibles et accessibles aux paysans à tout, lieu, à tout moment qui assurent leur souveraineté. Ils n'attendent pas parce que si vous voyez les, les, bailleurs ou l'extérieur vous promet, mais avant d'amener ça, Dieu seul sait à quel, à quel moment. Il pourrait que au tant que l'intrant n'est pas arrivé au bon moment, donc même si vous amenez ça, c'est comme si on dit le médecin après la mort nous rapidement, en 10 secondes, vos propositions, recommandations. D'accord. Euh, d'abord, euh, merci. Ce que je recommande, n'est-ce pas, de la part, en tout cas, de, du gouvernement, c'est de faciliter, n'est-ce pas, l'accessibilité. Aux euh, entrants Aux entrants agricoles et de qualité surtout. Et de mobiliser tous les acteurs, n'est-ce pas, autour de la question. Et surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, les aspects de l'urgence. Parce que vous savez, quelqu'un qui a faim, le ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Donc il faudrait que dès maintenant, et l'État, parce que l'État aussi n'attend pas, et les barres de fond, donc c'est-à-dire euh, tous les systèmes Nations il faut qu'ils se mobilisent autour d'un espace qu'on appelle des ponchos, où les populations actuellement, elles sont complètement, comment on appelle ça, le grenier, j'allais dire, vite, Donc il faudrait dès maintenant d'abord qu'on puisse les assister à travers justement donc la vente à, prix modéré ou encore la distribution gratuite euh, ciblée là où elle est nécessaire. Mais surtout, surtout, c'est la promotion de la culture d'irrigation. Parce que c'est ça qui est important. Tout ce qu'on fait autour là, c'est la vraie solution, c'est le développement et la promotion des Pour faire euh, face à l'insécurité alimentaire au Niger, euh, dans ce message à la nation, à l'occasion du 61e anniversaire de la proclamation de la République, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a annoncé que son gouvernement a conçu un plan d'urgence euh, pour la période de novembre 2019 à mars 2020 évalué à plus de 20 milliards de francs CFA. Pour la région de Difa, un plan spécifique d'urgence de plus de 10 milliards de francs CFA est en cours d'exécution. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Issa Manou de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Moussa Ali Ignali de l'association Moriben et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme de studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios par partenaire. Merci, au revoir. À vous.